C'est M. Manéan, hein. je suis le directeur administratif et financier de Red Flash Sénégal. Alors Red Flash Sénégal est une euh, structure, est une filiale hein, d'une société suédoise qui s'appelle euh, Red Flash AB Mobile. Hein. Donc euh, Red Flash a développé des produits tels que le, Smart Tax qui concerne les collectivités locales. donc on a mis en place un système numérisé de collecte des recettes Hein, de recettes euh, ou des taxes municipales. Voilà. Hein, donc euh, les, objectifs hein, sont, sont, très simples, essentiels, c'est d'appuyer les communes, de les assister dans la maîtrise de leur euh, assiette fiscale. Deuxièmement, d'augmenter le revenu. Et en troisième lieu, d'avoir qu'il y ait une transparence dans la collecte des, recettes. Alors, le changement de la banlieue a été dicté par notre directrice qui est une euh, habitante de la banlieue, qui, habite euh, hein. Hein, Voilà, euh, Madame euh, Aïssatou Diallo, hein, voilà, donc, qui, qui, vit en Suède, qui a vécu longtemps en Suède et qui est venue avec ce, projet-là. et puis le mettre à la disposition des communes des, banlieues, mais particulièrement déjà la commune de Pékin Nord. parce qu'on est en phase test pour ce projet de pouvoir numériser la collecte des, recettes des collectivités locales. Monsieur Diop Amadou, je suis le directeur des, projets, pour la faisabilité du projet. Le seul point que je vais rajouter, c'est juste que nous aussi, en même temps, on contribue sur l'emploi des jeunes. pour vous dire que le projet a été amené ici, bien sûr, comme l'a dit le DAF, par euh, une, résidente de, Pékin, c'est Pépinière. En plus aussi, il y a un conseil, jeune conseil municipal du nord de Cher Martala, qui a coaché, il est de Pékin aussi, qui a coaché ce projet pour euh, la faisabilité. Donc le seul point juste pour moi très important à ajouter, c'est par rapport à l'emploi des jeunes. Donc ça aussi, ça fait partie. Mais parce qu'en fait, on a privilégié dans la commune où nous sommes, c'est-à-dire de, prendre les jeunes diplômés dans cette commune, euh, pour ne pas importer mm si je me permets de, personnel. a amené euh, des, gens, par exemple, de chez moi, je suis de Saint-Louis, et dit écoute, on a un projet à Pékin, donc venez travailler à Pékin. On s'est dit que ce serait bénéfique que les jeunes Pékinois en bénéficient d'abord. Bénéficient d'abord. Donc c'était surtout pour moi un euh, point très très capital à, énumérer par rapport à notre projet. Et puis, comme l'a dit, même si Romotala peut vous confirmé par rapport à ce point-là, qui est un point franchement trop essentiel. Donc euh, je crois que c'est tout. C'est-à-dire que nous, euh, ce, qu'on souhaite faire, hein, donc c'est euh, là où nous sommes dans les communes, de, promouvoir l'emploi, d'accompagner le, maire, le maire dans sa politique d'emploi. Donc Red Flash, disons, on recrute dans la commune où nous sommes hein, des, des jeunes diplômés pour nous accompagner, qui seront des agents de Red Flash et qui vont servir dans la commune où, nous sommes. Voilà. Hein, donc, mais aussi, on a un financement également pour les, pour les commerçants. Hein, euh, les commerçants qui sont assidus dans leur, euh, dans leur cotisation, etc. Hein, on leur propose également des systèmes de financement pour les accompagner également. Donc c'est lancer une invitation aux collectivités locales, surtout aux élus locaux qui sont censés apporter des solutions. Et pour apporter ces solutions, ils ont besoin d'avoir plus de recettes. Et aujourd'hui, Red Flash, c'est un instrument qui permet de rationaliser, de sécuriser, mais aussi de booster les recettes. Donc, ci tënk rek ci ñu mën ko xamee noonu euh, société bi Suède la jógee mais ki ko indi nekk doomu Pikine mu ne moom balaa ngay laax jaay laax lekk looloo waral ñu tàmbali projet bi fii ci Pikine bi ñu ko indee nag ci Pikine Pikine Nord surtout marché Zinc bokk na ci marché yi gën a ci Ndakaaru mais defoon na ni li doon génn ci juuti ci xayma ci tënk. musuta su fukki junni mais bi projet bi ñëwee dañu tàmbali ràññee ñëpp ñi nga xam ne ñoo ngi jaay te war a fay juuti wala ñu war a fay abonnement bi leen ràññee ba xayma leen ba xam ñaata lañ toll ci dayoo tax na fi mu toll nii juuti bi mu ngi génnee ci tënk lu mot cent cinquante mille jëm kaw kon ce qui veut dire liggéey bi xawoon na des parce que tey àdduna sax léegi carte d'identité numérique ngay am mais léegi jaaykat bu nekk dañ la wutal carte numérique mën la ràññee mën la xàmmee donc ba tax na tey Pikine Nord mairie bi conseil municipal bi phase test lañ nekkoon ak ñoom tey ñu am kóolute ci ñoom parce que liñ leen indil nii jamono da fay dox tay aduna toll na foo xamante fu deureum dugg war nañ ko xam fi deureum genn war nañ ko xam te projet bi dafa indi lo xam lu sel la lu sell. effectivement avec euh, notre système numérisé donc qui a permis parce que nous euh, il y a deux phases. hein au niveau de notre euh, production. Donc il y a une phase déjà de, recensement, d'enrôlement, de pouvoir maîtriser les contribuables. Hein, et puis deuxièmement, euh, de passer à la phase de courbement pour dégager vraiment le potentiel euh, fiscal maximum de la commune. D'abord en tant que jeune, nek conseiller municipal à ce qu'il ñu ñu wara ñongal seen am am wara ñongal seen alal ñoom bi ñu ci faire wàllu xeyum ndaw ñi dafa soxé té état mënul def lépp ba tax na ñom bala ñu jël kenn dañu jël ay ndaw yo xamni jang nañ am nañ ay diplôme parce que légui liggéey bi dafa laaj liggéey bu xarañ la dafa laaj touti sax nit ki am niveau. donc dal ci gattal dañuy invité sax au delà de Pikine Sénégal yépp fépp fo xamante amna maire amna élu local mën na jël sen contact ak ñom ils sont prêts pour accompagner la pour nga développer ce ce commune. lool dal lañu lañ xam tay ci tënk tey nag li fi xew ci conseil municipal bi conseil municipal bi deugal na na ci projet bi na accord pour nous signer comme ça ñom lépp lo xamanteni jëm na ci walu taxe ak manam lemp bo xamanteni askan société bi pour mu koy mu koy mu alors un bilan, actuellement les résultats, parce que là on était en période pilote, période test, donc on, était on est à 2-3 mois hein, euh, du, projet pilote, et maintenant les résultats sont vraiment très satisfaisants, parce que là on a boosté les recettes, hein. donc euh, les recettes ont été multipliées par 300 voire 400%.